bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes de Bangaiswa Fatan Alheri Zouagareko. Azmidei, Yamon Bonkwana. À la fin de ce soir, on va se lancer sur un sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre. La mendicité des enfants. Bara doka Il s'agit bien sûr de l'article 181 du Code pénal du Niger qui stipule les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité. Dans ce Samoana Abundunia seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an. Le rapatriement du Sénégal le 25 et 26 mars 2022 par le vol affrété par le gouvernement nigérien de 478 enfants, 413 femmes et 162 hommes, tous ressortissants de Kanté et Magaria, deux départements de la région de Zender, Yanou Namana, Yadourouana Anoubar l'ampleur de ce fléau. À la FADA, nous avons réuni des structures qui luttent pour protéger les enfants qui sont les plus exposés dans cette pratique. ne ke faruwa yanzu wannan bara skinta da haɗarorin da suke tare da ita qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire Kama an kuka sani kuma na fara ba'ayin ta babu Kada kadanta, la rubrique de Miss et la chronique de notre chroniqueur Olivier Top c'est parti c'est toujours installé au siège du studio Kalangu au quartier Kwarakano que nous recevons les structures des jeunes que nous avons conviées. Avec nous comme invité, nous avons Ibrahim Maman Saleh du collectif des organisations et regroupements des adeptes nigériens du Coran, Coran. Vous allez bien Ça va, ça va. Bienvenue sur Tout ça, la Fada. Merci. Nous avons Atou Abdoulaye de Ardeus. Ardeus une association des jeunes qui s'occupe euh, des jeunes orphelins, qui les euh, accompagne, c'est ça Exactement. Euh, bonjour. Ah Amadou Moumouni Soumaïla, du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant un effet euh, sur la santé des femmes et des enfants. Vous allez bien, monsieur Soumaïla euh, je vais bien, Donc, merci bien. Barka da zuwa buskan shirin tusa la fada. Merci bien. Ok, a ah, wannan fadar halu muna tare da Lamine Mai Gamulai de l'association des jeunes Arda Yesu. oui. Bienvenue sur Tusa la fada. Merci beaucoup. Muna nan ga shirin an EHPAD, euh, matasan EHPAD Niger suna nan ta su daga sunzo zasu shiga cikin wannan hira tare da mu. Ba so dai ba so biyu ba. Mun ji kuma mun gani an koro 'yan bara daga kasashe da yawa. D'ailleurs, les autorités nigériennes ont annoncé que bayan aka koro daga kasar Senegal da suka suka kawo, d'autres opérations sont en cours pour ramener d'autres Nigériens refoulés des pays voisins comme l'Algérie avec l'appui des partenaires. abikir aikin ta shirya bisa et on se reprend juste après. Dans les deux premières vagues de mendiants rapatriés au Niger, on dénombre 709 dont les filles représentent les 60%, 427 filles selon l'agence nigérienne de presse ANP. Une situation préoccupante juge Sidi Koumoussa, le responsable de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONIT. Il estime qu'il faut attaquer le mal à la racine. S'attaquer aux causes profondes qui ont été à l'origine de leur départ tous ces enfants dont les droits ont été bafoués, tous ces enfants dont leur vie a été exposée, qui ont été également stigmatisés, probablement que beaucoup n'ont même pas d'extrait de naissance. Il faut leur en livrer ces extraits de naissance-là à travers des séances foraines. Ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, il faut les inscrire à l'école. Ceux qui ont été arrachés de l'école, il faut créer les conditions pour leur retour à l'école. Faire en sorte qu'un environnement sécurisé soit créé il faut que des mécanismes communautaires soient mis en place au niveau local pour que tous les déplacements soient systématiquement signalés. Il faut sanctionner ceux qui sont à la tête de ces réseaux, mais les enfants ne doivent pas être des victimes collatérales. Pour la secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes, apprendre un métier aux jeunes pourrait être une alternative pour les occuper sur place. Rachida Aboubakar, bisous. C'est vraiment euh, quelque chose qui euh, touche directement à la dignité. Apprendre à ces jeunes-là un métier, parce que sans un métier qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins, de pouvoir les retenir au pays. Ces jeunes-là sont condamnés à repartir. Nous sommes toujours euh, dans des initiatives, dans des projets visant à améliorer les conditions de vie de ces enfants-là. Il faut vraiment qu'on développe ces initiatives-là et que ces initiatives-là puissent cadrer avec la réalité. Il est urgent que l'État puisse faire en sorte que ces jeunes-là qui sont revenus trouvent une voie de sortie une voie de sortie qui peut être atteinte selon le responsable de la coalition connue par l'application stricte de la politique migratoire 2020-2035 mise en place par l'État du Niger. Une politique qui met l'accent sur l'identification et l'exploitation des potentialités économiques ainsi que les opportunités locales dans l'optique de réduire la vulnérabilité des jeunes. Euh, je, veux bien savoir euh, comment vous avez réagi. En tant que structure, je viens vers Koniprat, M. de Kouzanwara a Donc euh, vraiment la mendicité, je peux dire que c'est une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui les enfants qu'on est en train d'enrôler dans cette mendicité-là, c'est des enfants que à leur âge normalement doivent être à l'école, doivent apprendre quelque chose, doivent être avec leurs camarades, échanger avec eux, comprendre les choses de la vie au lieu d'être au niveau des feux de stop ou bien ceux qui dans les rues, dans, dans les rues, ou bien dans, les rues. Surtout dans les autres pays. Bon, dans les autres pays, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, nous, ce que nous voyons même chez nous, nous sommes en train de le dénoncer. À plus forte raison, nous apprenons que des Nigériens partent au-delà du Niger juste pour mendier, au lieu d'aller travailler pour avoir au moins euh, euh, quelque chose pour ramener au Niger. En tout cas, quand on a appris cette, euh, cette, euh, cette histoire, nous, ces images euh, du rapatriement des enfants qui sont là, qui ne savent même pas. Surtout ce qui est choquant, les enfants ne savent même pas pourquoi ils sont en train de partir. Tu as un poids sur le corps parce que en tant que Nigérien, c'est pas ce genre de pratique qu'on devrait exporter. Bah, c'est énervant c'est énervant rola tu, mun shirya ra'ayin eh, sumaila bisa kan wannan mummunan aikin da ake ɗauka ana kaiwa ƙasashen waje ana gwadawa kokari cikin bara ina so in ji kuma a kungiyar ku a lokacin da ku ga wa'annan yaran da aka zo da su tunda ku kuna tare da yara kuna kama musu kuna taimaka musu yara marayi da 'yan bara hallo ya kuka ji wannan al'amarin gaskiya kamar yadda mrs maila gai mm -hmm. wanda duk ɗan ƙasa ne idan yana kishin ƙasar shi dole zai ji haushi kuma dole zai ranshi zai matukar ɓacewa mu dai a ƙungiyar mu gaskiya ranmu ya ɓace domin ko ba komai mu matasa ne kuma gaskiya muna jin ciwon a ce ƙasarmu mu niger ja ba a santa ba niger da an ce niger in dai ƙasar waje kake to in ba a danganta ka da najeriya ba euh, tout de suite on va voir la pauvreté tout de suite on va voir les fléaux les calamités Kena a ce bisa wannan kaman an ƙara ƙarfin gwiwa tunanin da ake ma ƙasar mu ne da hanya wannan barin yara da ake da ake gwadi a étranger kenan gaskiya abun bakin ciki ne abun Allah wadai ne abun kuma haushi ne gare mu gaskiya muka je to yanzu ina so in sani zan dawo wajen ka ah, Ibrahim Mama, ina so in sani wai wa'annan yaran masu bara su wane ne Kukun samun samu kun yi sibilan su ku kuna cikin kuna harkan karatun Kur'ani to muna so musamman yaran wanda suke kanya su wane ne daga ina ne suke fito fiske mandisitan barar da ake cewa tana da salo biyu ne akwai salon kasuwanci wanda mun shugaban kasa ma ya yi bayani bisa wannan salon cewa da akwai wanda za su ba da iyan su a ta ayi bara da su saboda a rika zuba musu wansu kuɗi wannan salo na farko shine ma ya muni da cikin tsarin wannan bara tunda mun san akwai wani salo na biyu wanda shi ɗalibai ne wanda sun je neman ilimi wajen makarantun ne don saboda su samu abin da za su ci suna iya ta su yi bara wannan salo shi ne munin sheke da sauki biskan salon na harko tunda salon na harko ne ke iya kai yaro wajen biɗan kuɗi ya shiga waɗansu halayya kamar abin da shahi in mata ne su shiga karuwanci in maza ne kuma za su iya shiga sata da sauran banna da ake gani irin shan kwaya da sauransu kenan wannan salon biyu su ne manya-manyan yanayi ko hanyoyi wanda ake samu almajirai to yana da kyawu mutane su fahimci wannan abubuwan shi za shi sa a samu matakai kwakwara wanda ya kamata a ciwo ka wannan matsala don kunshin da suke hitowa wannan almajira to mashi mu dama ina ce muku dama na ga muku da zu akwai bakin da muke jira yan ipad e sun zo ko ko an ce yan e <laughs> le cadre constatif euh, nigérien des enfants et des jeunes Oui, Bonjour. Rachida Sani qui l'a Rachida, bisous. Merci. barkan ki zabiska wannan shirin da kin gane da hira da muke nan ga yi a nan ga eh, wannan bara ta yara kankana wai me yasa ba ta karewa furkuwa el persist to kin tardo muna nan ga hira bisa kan condition kin da wannan yaran suke ciki ku wannan yaran ku ne eh, kuke representant su ku ne kuke kuna cikin wanda suke taimaka musu suke kama musu to ina so in san su wa'annan yaran yan kankana masu bara cikin wace irin rayuwa ce wai suke yi um, vous savez euh, Les conditions de vie de ces enfants euh, ne sont pas vraiment euh, reluisantes qu'on peut le dire. Parce que c'est des enfants qui, euh, la plupart du temps, lorsque vous regardez, ils sont une trentaine ou une quarantaine qui viennent d'un côté parce qu'il y a plusieurs aspects que recouvre cette mendicité-là. Parce qu'il y a des enfants talibés qui viennent, eux, avec des maîtres. Maintenant, la tendance que nous avons constatée, c'est que c'est pas uniquement ces enfants talibés là qui mendient, mais c'est plutôt toute une famille qui se lève, qui vient à Niamey pour mendier. Et ça, ce n'est plus pareil maintenant. Justement, Parce que hmm. euh, concernant ces enfants-là qui viennent mendier avant les talibés, c'est vraiment des enfants qui viennent pour apprendre et ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Le maître n'a pas de quoi subvenir à leurs besoins de ce fait-là. Ils passent de maison en maison pour pouvoir avoir de quoi manger afin de pouvoir continuer leurs études. C'était la mendicité que nous connaissons avant. Mais maintenant, il y a une autre sorte de mendicité qui est là, qui est due parfois, selon certains, dire à un aspect sécuritaire qui est là. Il y a des zones qui sont des zones d'insécurité et les gens ne peuvent plus rester là-bas. Donc, du coup, ils viennent à Niamey chercher la sécurité. La sécurité, non seulement la sécurité euh, du point de vue physique, mais aussi la sécurité du point de vue alimentaire, parce qu'il y en a d'autres qui, c'est la pauvreté qui les chasse pour qu'ils viennent à Niamey. Ok, comment on a dit, suke zuwa da muka sani eh, suke zuwa da malamin su yawa da waɗanda suke gudun kamar yaƙe-yaƙe da ake da tashi hankali da ake cikin eh, jahohinsu suke zuwa nan cikin manyan birane sun yami eh, kariya sun yami abincin ci kuma da waɗanda suka mai da abin sana'a to na gode yanzu ka mu ci gaba da wannan hira za mu leƙa ɓangaren dondi mu ji cikin rubrikin tashi wannan gamin da waye hira et on se reprend juste après mesdames et messieurs tout sur Denke Denke. Alors nous lui souhaitons tout simplement la bienvenue. Albora, salam alaikum. Matino. Matgam. Exavo. irga bai da kan kona kai Niger la kul ga bai barkan gate danke danke to ka o ka kan dunya bon su <laughs> mamar kase yakubu mumuni danke danke mai kati mamar kase mai kati yakubu mumuni danke danke to yakubu mumuni de ngno sintin ayo e mana haikal kwara kan sigine terato ni gungo a gonda kilometer waycindi iye da tera gungo nodi ni ne hay sajora kawyara kalen ya de ba fu follonka mm. nodi ne hay e man koy maternité mm. e man konda e ba windo me nodi no ir koy na e hay nodi no e beeri kale gonda jiri egga wato dini nte babu tekshi ayo kurkowno irga kurriga fara sanne sintinta ɓe ma dine en kono yakkuba momori danke danke iro fulan ndendir wodi bore kango hanganir semo egi milkibo ba kulge mil kan fulan no amma nine mo kan tera har nine nay matcinano wona woccara to mata ka ciyanda ngiti fulantare go me aga moru il faut to mora kigidi ngiti baba woni baba kan sigine sambo kan mumuni hay mumuni mone hay anya munotu fulan umo falaguntu bonkoyno bandeyno misali ga yakubu moni danke danko nongu fowara bonkoni bandano oh, madalla e ñaado harmo halho tera mo kono kasigine mosi kantexi armna agte ñase irma wona on kul on kunde émission o an kankan dir misali ga dono kan gote irga bayde kan woni wa ko glabo nafa mat matkinano wonewo a zumbundane se dono wati fo focinana sintin eg bayim dono de irkoyne takanda da egok cecemte dono ko imata fo ayo za irkoyne taka ke go zanka e mayo man bayki dab dono ga maygo nga maygo jirbi parce que ato nan kay heyre bumbo ine ifone cianda parce que dono ko si dumora idumo men me dono ko si ni manatubu e manatubu e babu o ladan no agchano aynoti idduwante e ɓeyro kanga gide kal fagno agone o sayi sina se kala alfa sumana e fa ngwo jimno ngwo teksi afa mo alferino alboro igina se amadou wokan si jima igina se alfa ga gwara ra ma gwara ra donu ka donu ka goyira alfero goyira alfero goyira do woybor hinka sale da hawa

kow yeeso sintin ga desi thinking ben hiora irto ama irga mili kamo niger talato kulu e duni bon bere kaino fo sani fo no no gonda niger talato mi amese za artiste za doni ko za bore kanga hanganse l'instant e solanel l'artiste fo dene ci kanse doni wo nor cheki sate hin kaste cherbane irwo itun danga to dangi jirwai kai man bai dul kam zambar hinka inna go ku dondon dai amma so zanka za bora sitin te kiw ngo delezi hinna go guna aste cherbane me dinaino fondo mhm. émission o neme wala Sin wona o eɗe ka gayi eɗe rendez-vous demain dimanche même heure même fréquence c'est que la donne qui va changer hey ami de la fada euh, c'était euh, la rubrique de Mr Dondi zan ni ci gaba da wannan hira tare da abokan na wa'annan bakin na wanda muka gayyato yau matasa muna nan muna hirba kan wannan bara wannan bara musamman mata yara kankana me yasa ba ta karewa ana yaki kuma ba a yaki to yau shi samu ka gayyato kungiyoyin matasa wanda suke kula da kariya hakkin yara da ke kula da ke taimaka ma yan marayu a wannan fadar muna tare da Rashida Bizo elle est cadre consultatif, consultatif euh, nigérien des enfants et des jeunes c'est un EJ et de EHPAD également Kuma muna tare da Ibrahim mamman Saleh du collectif des organisations et regroupements des adeptes nigériens en du Coran Coran nous sommes avec Raoulatou Abdoulaye de de l'association des jeunes RDSO, Monsieur Adamou Mouni Soumaïla, du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, kuma Tarada Lamine Maiga Moulaye de l'association des jeunes RDSO. Dans les discussions sur cette question, on entend souvent qu'on rejette la faute sur tel ou tel acteur. Ati, les ou da ba su kimtsa ɗiyansu ba suka rike su a ce lahi malaman makarantar ne da ke exposan su da leru <laughs> a tule danje ko da kanku ma kungiyoyin da kuke kula da wannan harakokin wannan yaran sai a ce a'a ba sa aikin su inda suna aikin su shekara nawa da yanzu ko a ce kai gwamnati ne ba ya komi ya sa ido yana kallo ana abin da aka gana ma zan dawo wajen ku mai maila quel sont les causes réelles de cette mendicité chronique véritable cause c'est vraiment la pauvreté Parce que c'est toujours lié à la pauvreté. Mais ce n'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison. Par, exemple, excusez-moi. En fait, c'est vraiment un sujet qui me fait beaucoup, qui me fait très mal. Nous tous qui sommes là. Euh, je, je voudrais dire, par exemple, concernant les adultes dont il parle, c'est vrai, peut-être il y a l'aspect de la pauvreté. Mais je vous assure, hein, aujourd'hui à Niamey, vous allez rencontrer des vieillards qui ont 60 ans, 50 ans, qui sont en train de vendre des plastiques pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, la majorité, quand tu, les, tu leur poses la question, ils vont te dire que non, rien. Non, la cause c'est éducationnelle. En fait, c'est ce qu'on veut dire. La cause elle est éducationnelle. Ce n'est pas lié à la pauvreté. Aujourd'hui, ça, aujourd'hui. Maintenant, c'est Moulay, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les gens, c'est les gens qui sont déjà dans la mendicité. Mais déjà ils sont dedans. Mais qu'est-ce qui incite les gens à le faire C'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui incite les gens à la recherche du gain facile. C'est à la recherche du gain facile. Et puis avoir ton, gain. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que la religion elle est très claire. Merci. Il y vivre sur ce bas monde là. a salat an fesh la turpitude et le blâmable wanda tun yake sallah yana yin raka'in shi yake sallar shi biyar a wuni bai iya yiwa ne a ce kana sallar ka biyar suna karbuwa kuma halin ka bai sauyawa kuma ka sake ka sake kenan muna sallah ba mu sallah ne kawai muna gymnastic mu muna tashi muna tsaye ne tunda halaye mu ba su canzawa sai ƙara gurɓacewa ma kawai suke he ƙara son zuciya da muke yi muna tsindimar kanmu cikin son zuciya da neman da ragwanci yawwa yanzu za ka gani yan mhm. makwabtanmu na koce su za su zo suna aiki suna wahala suna neman na karfinsu amma mu nijeriya mun tashi mun je wani guri don mu kaskantar da kanmu ne mu yi bara to mu yi nazari mu gani don Allah da annabi ku gaya mini ko waɗanda suke da kuɗi a cikin baran nan ya suke a kaskanta suke domin aya ne annabi ya riga ya faɗi baya karya wanda duk ya mai da kanshi kaskantance yana mika hannu to haka zai mutuwa kuma zai dawwama ne a cikin talauci ko yana da kuɗi bai da arzikin zuciya bai da arzikin wadata zuciyar shi bai jin daɗi kenan la culture la culture y est beaucoup c'est lié à notre éducation et notre éducation y a beaucoup c'est-à-dire l'éducation aujourd'hui quand tu regardes quand tu regardes l'éducation nigérienne l'éducation nigérienne c'est-à-dire on apprend on apprend aux enfants de ne rien faire que de tendre la main. C'est dès l'éducation. C'est dans toutes les familles. Nous, depuis qu'on nous a appris, depuis qu'on est né, depuis qu'on est né, quand tu veux faire quelque chose, on te dit, mais pourquoi tu vas faire ça Surtout quand, quand tu pars à l'école, on te dit non, toi tu pars à l'école, on te laisse, on te laisse euh, apprendre, les choses de l'école on te dit, on te dit, bah, quelqu'un, il ne a pas quelqu'un, faire c'est le C'est vraiment le grand problème que nous avons au Niger. Hein. le système là, le système éducatif, de Et moi, j'aimerais parler d'un aspect politique. Sur le plan politique, quand vous prenez, il y a un désengagement de l'État, comme elle a dit. Il n'y a pas de volonté politique réelle. Les gens là que vous voyez qui mendient aujourd'hui dans les rues partout, c'est les mêmes personnes qui viennent des villages. Il y a une mauvaise répartition des richesses. Donc, ça occasionne aujourd'hui la pauvreté. Quand vous prenez, vous voyez des gens qui sont dans des conditions, des conditions vraiment pitoyables. À côté d'eux, vous allez voir une maison de trois étages. Maison de trois étages, là, va regarder à combien de personnes dedans. Deux ou trois. Peut-être le gars, il a deux gosses juste sa femme. Il passe pas la journée à la maison, sa femme ne passe pas la journée à la maison. Les enfants partent à l'école. Donc la maison est à moitié vide, 12 chambres salon. Le système éducatif aujourd'hui, il y a un abandon du système éducatif. Il n'y a pas longtemps, j'étais élève et aujourd'hui, je suis à l'université et je sais très bien, je sais très bien que le système, tout celui qui réfléchit correctement, il sait que le système là est médiocre. Un système qui ne te permet pas d'aller te chercher. Yo, le, problème de la mendicité, on en parle, on en parle, on en parle, on blâme les mendiants. Ok, mais moi aujourd'hui, je peux aussi me positionner en défenseur de ces gens. Aujourd'hui, on nous parle de droits de l'homme. Mais est-ce que c'est respecté quand il y a des gens qui n'arrivent pas à bouffer correctement et qui doivent aller chercher dehors Je suis d'accord, il y a des gens qui en ont fait une activité à but lucratif. Mais il y a aussi des gens qui sont contraints de faire cette mendicité qui n'ont pas les moyens. En fait, s'il vous plaît, quand, je voulais euh, euh, parler, justement, mm, c'est là que j'ai touché du doigt la responsabilité étatique. Parce que vous voyez, l'État se devait... Attendez, attendez. Dans le contexte où on parle, dans le contexte où... Non, s'il vous plaît, dans le contexte où l'État se doit d'offrir à chacun, que chaque individu puisse avoir accès aux besoins, à ses besoins besoins fondamentaux tels que la santé d'abord, l'éducation. C'est quand on parle d'égalité des chances, les gens pensent que c'est un aspect qu'on est rentré dans des salles climatisées pour pouvoir concocter. Ce n'est pas du tout ça. Regardez maintenant la société dont vous parlez et la mendicité dont on parle aujourd'hui. Quelqu'un qui a quitté, par exemple, Inates qui est venu avec ses parents à Niamey. L'éducation qu'on nous a donnée à nous, qui sommes à l'université, ça ne nous permet pas, un, de nous prendre en charge nous-mêmes. C'est lui qui vient de Inates, qui a quitté qui, qui a peut-être abandonné l'école en classe de 6e ou 5e ou qui n'a peut-être même pas eu la chance d'aller à l'école. Comment il va s'en sortir à Niamey si c'est pas mendier On va écouter en musique Talibizono du groupe Bloc Escrew. Qui sombre sans amis, mort Pour tous ces enfants qui naissent orphelins. Un message aussi à l'égard de ses parents négligents, ignorant le plan familial. Quand vient la pauvreté, ils s'exilent ou les donnent aux marabouts qui les poussent dans les rues, qu'ils de cœur. Bloc un screw, lève la voix et vous en parle une fois de plus. dans les nous sans abri, sans famille. T'as les Pour manger au monde. Dans les bisanos, n'est pas habitué. Dans les bisanos, banda ala yeba yebamu. T'as les nous sans abri, sans famille. T'as les Pour manger au monde. T'as les nous repère à ans, bail Jamais 7 ans, un âge insuffisant Des rêves d'enfants gâtés, joyeux blessés Par papa et maman, mais un beau jour sur le noir Maman s'est installée dans un autre territoire Laissant les ombres et moi dans les pénombres Je sombre la tout du sang d'une malade sans cœur Qui perce dans mon père, de mon voyer à Neptune Au pénétrant marabout sur cette émission, on revient à la fin Aujourd'hui, les questions de cette mendicité des enfants, pourquoi elle persiste, cette pratique, pourquoi elle persiste. On en parle avec des structures de jeunes qui sont aux côtés des enfants qui les accompagnent. Ce qui est un Parlez-nous des actions. On voit que vous êtes vraiment à fond sur cette question. Vous êtes réellement à fond. Parlez-nous des actions euh, que vos structures mènent. Sur quoi vous travaillez pour l'éradication de cette des enfants Rachida, je commence par toi. C'est un EJ, EHPAD, en collaboration avec EHPAD. Sur quoi vraiment vous mettez l'accent D'accord, donc euh, merci bien pour, euh, pour la question. Donc, à notre niveau, nous sommes centrés sur les actions de sensibilisation. OK que nous menons beaucoup d'actions de sensibilisation sur le terrain, à l'endroit des parents surtout. parce que, justement, parce que nous pensons que cette éducation-là qu'on reçoit présentement dans les familles, dans les ménages, ce n'est pas une éducation qui reflète nos mœurs et nos us. nous sommes aussi, surtout avec le CCNEJ, axés dans les zone d'insécurité. Parce que nous sommes sur un projet qui vise vraiment à faire participer les jeunes et les enfants dans le processus de résolution pacifique des conflits. Et dans le cadre de ce projet-là, nous sommes en train de former les jeunes, de sensibiliser les jeunes à ce que ils partent aussi à leur niveau sur les radios communautaires et aussi dans leur localité, sensibiliser leurs pères sur le fait que mm-hmm. préserver cette sécurité-là est important pour nous, parce que nous n'avons qu'un seul pays, mais aussi pour attirer leur attention à ce que ce n'est pas parce que dans ma zone, c'est une zone d'insécurité et que, et que euh, j'ai quitté pour venir à Niamey ou j'ai quitté pour regagner une autre localité que je dois m'adonner à certaines pratiques. À votre niveau, structure vous travaillez sur quoi euh, À travers notre structure, muna da proje in second chance da muka yi ma mun tsara shi da fari muka fara da wa'ansu 'yan mata uku na karce in kwartagi mhm. wa'anda vraiment precarité ne kuma wa'annan 'yan mata su ne masu jan kamar makahi aje aje bara mm. to muka duba da muka duba ma muka gani mata sun fi expose gaskiya a cikin harkar mandisite in nan da kalubale da yawa muka ɗauke su aka musu formation yanzu aka musu formation sai ba mu bar su a nan ba muka sa yanzu su wa'annan ukun da aka yi forme su hmm. koma su zama formator ma wa'anda za a yi ta recruite na gid makahi in nan mata su ne suke farman su kenan yanzu yawwa yanzu kenan sun koya musu turaren wuta yin kayan decoration wannan yin sabuni yin suna yin kaya suna saidawa

Nous, on est, vraiment dans la protection de l'enfant en, général. Mhm. Donc, les actions que nous faisons, c'est vraiment des actions de sensibilisation, euh, renforcer et, éducation à base communautaire, parce que nous sommes au niveau communautaire aussi. Vraiment euh, amener ces gens-là à comprendre les droits humains, parce que les droits humains, c'est à plusieurs étapes de la vie à les comprendre parce que si tu connais tes droits, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. a yanzu za ni zuwa kuma ga wata structure ta ƙarshe za kama magana anan ina so in sani duka wannan yakin da ake ta yi ana talut ana talut ana talut mai ibrahim ibrahim mamman salai eh, a ganin cime fi man wai me yasa abin ba ya canzawa me yasa ba a zuwa ko ina kam ana yi kama ba a yi gode malama saboda kuma mun haɗi mun ce tushen al'amarin tarbiyya ce wajen mu mun ɗauki matakai ƙoƙara wanda muke tunanin zuwa gaba fuske ba aiki kai tsaye a samu solution mhm. zuwa gaba takan yi wa mu karkato al'umma mu zuwa tafarki na gari musamman ma abin da ya shahi eh, shugabanni le leader fuske shi problem mutane uku cikin al'umma in sun ka lalace al'umma ne za ta lalacewa shugabanni malamai da masu kuɗi waɗannan mutane uku idan sun ka lalace to al'umma za ta lalacewa cikin yanayin da muke al'ummar mu yanzu yanayin kenan waɗannan mutanen dole ne mu yi kokari mu tarbiyatar da su tunda kamar da na faɗi matsalar ta tarbiyya ce idan sun tarbiyantu yadda ya kamata to za mu samu fa'ida cikin al'amura za su ja shawo gyara in Allah yadda tak mun gode Allah shi taimaka mana amuna mu na fada kun ji da wannan hira tamu da wa'annan wani gayyato dai mu dai ta Hausa dai Faransa Hausa ta zo karshe kan mi ban kwana da su kwata kwata za mu ba Olivier dama zum da chroniquin shi et on se dit officiellement au revoir sur cette émission Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. La semaine qui vient de s'écouler a été particulièrement spéciale. Spéciale presque à tous les niveaux, mais on ne tiendra que deux niveaux. Religieusement, ce fut la nuit du destin, et digitalement, ce fut la révision de la loi sur la cybercriminalité. Avec les modifications apportées à la loi relative à la cybercriminalité mercredi en Conseil des ministres, les délits commis par voie électronique, notamment la diffamation et l'injure, ne conduisent plus à la prison, mais exposent à des amendes. C'est ce qu'a posté le 28 avril sur ses réseaux sociaux Mohamed Bazoum, le chef de l'État nigérien. Eh bien, ce poste a fait réagir plusieurs internautes. Si d'autres se sont réjouis de cette nouvelle, il y en a qui ont quand même émis des réserves. En tout cas, la quantité et la qualité des commentaires montrent à suffisance que les réseaux sociaux sont une plateforme de liberté d'expression. Cette décision est salutaire car elle va dans le sens de la consolidation des acquis démocratiques. Cette décision confirme votre statut de démocrate incontesté et incontestable, a commenté un internaute visiblement fan du chef de l'État, et à un autre de contredire en disant Ainsi, ceux qui ont l'argent ou qui ont un mentor riche peuvent diffamer ou injurier. L'essentiel est qu'ils payent tout simplement. Une loi trop politique et non juridique. Et d'autres de se demander en cas de refus de paiement ou bien si la personne manque de moyens pour payer, quel serait alors son sort Tant de questions. En tout cas, les internautes nigériens se sont exprimés diversement sur cette décision du gouvernement. Amis auditrices et auditeurs, quelles que soient les raisons, nos éducations et nos valeurs africaines nous empêchent d'insulter ou d'injurier. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle Réagissez sur les réseaux sociaux du studio Kalangu en commentant la fada de ce soir. Quant à moi, je terminerai cette chronique en rappelant ce commentaire de l'internaute Doula Goudel qui dit ceci. Puisse Dieu nous permettre d'être des citoyens modèles qui n'injurent guère et ne diffament point les concitoyens. Et puisse Dieu permettre au plus fort d'avoir pitié des plus faibles pour l'équilibre de la société. C'est la fin de la chronique de ce soir. Bonne soirée à tous. Paix, lumière, amour, vie sur vous. One love. À demain les amis. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Merci bien, c'était la chronique. Euh,

tun suna ƙanana kuma an ce a kawo gyara kuma a kawo gyara daga ko'ina su manyan namu su samu tarbi a kirki ta wannan musulunci da su kawo mana gyara su ma uwaye kuma su san irin a da za su maɗiyansu abin da za su koya maɗiyansu sai mu ce a huta lahiya kuma muna ma masu shurarenmu barka da sallah gobe sallah a yi wannan sallar lahiya kuma allah ya kawo muna sauƙi cikin wannan al'amarin za su ci gaba da wannan hira tare da biki aiki ta samira kuma za a gano mahita